D'accord, parce que le physiquement et mentalement c'est une c'est vraiment quelque chose de primordial qui match il faut être prêt physiquement et mentalement pourquoi parce que ce sont on a un adversaire costaud on a un adversaire vraiment costaud on a un adversaire qui qui se bat bien. Je l'ai suivi contre les LARD, LARDC, République démocratique du Congo. Ils l'ont battu 2 buts à 0. Euh, au, début, au début du match, ils, disaient tous que la République démocratique du Congo allait écraser l'Ouganda. Personne euh, ne connaissait cette équipe-là. Légui, nit savons Légui euh, ce que cette équipe-là est capable de faire ou pas. Donc ay ñangat yu Alain wara par exemple moy xamné équipe la dajel ñu respecter ko pas considérer comme bind Ouganda non mais comme une nation de football il y dafa am place un huitième de finale dafa jël deuxième type, poule bo xamantene y avait la République démocratique du Congo il y avait l'Égypte et comment dirais-je ak Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe fan yi ñu ngi commencé Coupe d'Afrique lu bari mais n'empêche gis ngeen Ouganda dafa au-dessus de lui euh, même chose que la RDC même chose que l'Égypte et l'Égypte ils ont vraiment peiné à gagner cette équipe là si c'était pas un bijou de Mohamed Salah à la à la comment dirais-je la 43e minute, si je ne me trompe pas, il allait y avoir défaut au euh, ce jour-là. donc euh, donc, Sénégal aussi, il faut qu'on repose sur le collectif. Match, nous à l'individuel, nous à la collective. Cette équipe-là, on ne peut pas les battre individuellement, on peut les battre que collectivement. Malen Ouganda, ce n'est pas une équipe qui faire fait exploits individuels pour Graïla. Non, il faut les battre collectivement. Il faut être solide comme eux, il faut être tenace comme eux, il faut sortir et jouer au football comme eux. Il faut aussi les agresser quand il faut. Il faut faut aussi les mettre une pression supplémentaire quand il faut. Donc on les, ça, ça, ça incombe à tous les Sénégalais d'ici. Et d'ailleurs, nous, nous, nous, nous ci équipe bi ñu charge équipe à ce que ñu un caractère parce que match bi match caractère Si nous avons une nation boo comme football comme ñun donc ça sera un match de football da ngay football mais match caractère faut nga won adversaire bi ne do dougal samay camp tama damay dougal say camp nga nga nga nekk euh, benn genre comment dirais-je euh, équipe bo xamante ni day bëgg di foqati bal bi ci adversaire bi ba pare day bëgg di football ci kaw adversaire bi lolu mom buñu ko défé je pense bien qu'on aura un résultat positif mais si on on, on balance les balles sur Sadio Mané sur euh, Ismaïla Sarr leur demander de faire la différence ça sera très très difficile parce que équipe B ils font un marquage à deux des fois à trois c'est très dangereux évidemment équipe la bo xamante du ñëw di song Sénégal ça moom c'est sûr parce que lu way gatt dégg-dégg tamit dina xamné équipe bi équipe du Sénégal bi du équipe bu ñuy sandiafu loko loko loo lu mu la man-man tamit wala loko man-man bo ñëwee di ko respecté di nga ko jox limu parce que Sénégal bu len fàtte dafa ak Japon dafa dóor Pologne dafa dem def match bu match bu doy war contre la Colombie finalement ñu perte ko donc yow nag africain bo ñëwé doone damay ñëw sandiafu Sénégal da am noo koy ak mom da am noo étudier da ngay ñëw taxaw say camp di gérer le maximum possible nga daal di ko gérer ci match bobu benen bi ci dess mom moy que suñu latéraux yi bon je euh, on n'a pas grand chose à leur reprocher à part euh, des fois des erreurs techniques de de de, de du latéral droit euh, Moussa Wagué euh, Sabaly c'est un joueur excellent avec beaucoup de responsabilités ta bolé ci wax ju bari donc dina jafé trop pour nga pour nga jaar fofu daal di def li nga bëgg def. Mais euh, Moussa Wagé il faut qu'on pour on essaie de le recadrer un peu. On essaie aussi de, de lui dire qu'ici, on est en Afrique. On n'est pas FC Barcelone où on, développe du beau jeu à chaque, euh, chaque instant. À un moment donné, il faut utiliser rigueur, il faut utiliser l'aspect euh, aspect aspect physique pour maintenir une génn ci rencontre Sénégal amul lu muy douté ci Ouganda. Nan dañuy xaar défense bi wala dañuy corps fi non non. ce qu'on doit faire c'est ne pas douter. Ce qu'on doit faire, c'est venir imposer notre rythme à l'Ouganda. Ce qu'on doit faire, c'est venir imposer notre jeu à l'Ouganda et en plus montrer beaucoup plus de caractère que les, les trois matchs précédents. Donc, l'Olodeng, moi, donc sur le papier on dit que l'Ouganda la Tanzanie les Kenya équipe là, ils sont pareils c'est du pareil au même sur le papier bien que Kedem ne na RDC qui doorante nañ seen donc ça c'est pas un problème Le problème bi que l'équipe de bi mooy équipe bu ki nga xamante ne ni moom euh, Sénégal bi euh, warul dugg ci match bi ak Sandiafou mom tamit ne day adversaire bi sénégalais nénañ nako naa dès la première mi-temps 3-0 2-0 ça c'est pas possible il faut que ñu respecte suñuy adversaire il faut que ñu watch suñuy adversaire le temps de de de souffler aussi de sorte jouer pour wane seeni limite technique limite technique à à sa adversaire tu peux exploiter ça loolu mom mo gëna gaw ci ay but euh, nga dem installer ci camp di def ay passes des trentaines de centres des trentaines de tirs cadrés tabal bi du donc ce qu'il faut faire c'est aussi laisser la chance à cette équipe là de jouer de ne pas jouer très très bas parce qu'il joue très très bas le match sera serré et le match euh, fera beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup comme de, dépenses d'énergie ci sénégalais donc il faudra aussi à un moment donné ñuy abandonner bal à l'adversaire les imposer à sortir et à faire des erreurs au niveau du milieu de terrain pour que nous ñu jaillir sur les côtés et le plus rapidement possible créer des occasions euh, si c'est football l'avoir la à mon ça amoo sama sama gis-gis bobu football mom yaakaar naa ne c'est football la bo à maintenir ni bi euh, ñu jëm ni dina dina dina baax ci match bobu non. mais quand ta dem imposer ce rythme adversaire bi taxaw ci xefam di passante des 130 passes di dóor balles bi des plus de 30 tirs avec 15 cadres ta balle bi du mëna dugg tamit ça ne sert à rien sunu kàddu gu mujj gi moom mooy euh, nañu nekk ci ginnaaw équipe nationale bu Sénégal bi nañu ci nañu nañu nañu leen taxaw comme ni ñu waree presse bi il faut qu'il s'implique davantage je ne dis pas s'impliquer de manière négative mais de manière positive qu'est-ce que ça veut dire de manière négative Moi, euh, bind ci presse bi di xass lo xamantene ni day damm moral joueur bi bind ci presse bi lo xamantene mo joueur bi bu ko gisee du ko neex wala joueur bi bu ko famem ils vont se dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça ak ay moquerie yi nga xamantene ne mu ngi am ci ku nga xamantene mom moy c'est ces détails yo xamantene ni baaxul ci équipe c'est on doit éviter ça Benen bi mom moy li nga xamantene ne ni hmm, euh, Implications euh, euh, implication positive moi di ces jours di wax record lañ battre bu match la niveau ça ce sont des challenges un joueur de football un joueur de basket ak sport tant que a challenge il il est à ce que mu dem fi nga xamanteni limite comme limite donc il faut qu'on leur donne des beaucoup de challenge il faut qu'on leur donne beaucoup d'espoir sur euh, euh, yo xamanteni dañ ko mën woné Mais vraiment sénégalais ils ont ils avaient raison nous compter sur man euh, encore une fois mention spéciale à Sadio Mané je pense bien qu'il a fait un, très grand match la fois dernière bonne continuation aussi ci équipe bi yëpp di jaajëfal ñi nga xamanteni ñom ñoo émission chronique chronique TV des rencontres.

9e minute. À la 9e minute par Sadio